tout d'abord rendre grâce à Dieu, saluer et remercier l'ensemble des populations sénégalaises d'ici et de la diaspora pour leur mobilisation et leur participation à ce scrutin décisif pour l'avenir de notre pays. Je voudrais également prier pour que le scrutin se déroule dans des conditions de sérénité, de tranquillité et de calme afin que puisse s'exprimer librement le peuple souverain et que son désir de changement fortement exprimé au cours de cette campagne électorale puisse s'exprimer à nouveau dans le scrutin sans entrave et sans aucune interférence. Le peuple souverain devra décider. Je voudrais également inviter tout le monde, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile et l'ensemble des citoyens, à garder à l'esprit que le peuple sénégalais est un peuple pluriel mais uni. Pluriel dans ses conceptions, pluriel dans ses confréries, pluriel dans ses ethnies, pluriel dans ses opinions politiques, mais que le premier devoir du chef de l'État est d'organiser l'unité de la nation et son rassemblement autour d'une seule préoccupation, abréger les souffrances des populations

li ñuy njëkk ñaan mooy élection yi ñu boroom may ñu ñu amal ko ci jàmm ak ci dal may wax ni ñëpp ñi nga xam ne ñoo ci yëngatu muy acteur politik yi muy citoyen yi yàlla nañu yàlla defal dal ba nga xam ni dinañu def suñu élection peuple bi wax bëgg-bëggam puisque tey population yi rek lañu ñu war a déglu loolu yëpp am ci jàmm ak ci dal di fàttali rek ne Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk diine yi bari na tarixa yi bari na ethnie yi bari na wante jàmm rek moo mus di am ci Sénégal te jàmm jooju tabax ko mooy euh, objectif bi nga xam ni moo njëkk ci li chef d'État war a liggéey ñu bàyyi ko xel ñun ñëpp ñaan yàlla dugg ci élection yi ci bismillahi rahmaani rahim génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamin président président woote jàmm woote jàmm aussi bokk na ci ku ci nekk ci yéen juróomi candidat ñu daal jóge fi nga